Macky fekkee nañu jamono Jean Collin il était plus puissant que le président de la République il tenait tous les pouvoirs parce qu'il était secrétaire général de la présidence après avoir été ministre de l'intérieur Il décidait décidé de tout a décidé de la radiation de toute la police en 87 C'était un problème Kokou, on a rarement vu un homme politique aussi puissant au Sénégal Mamadou Diallo dafa ñëw rek ñu maintenant au Sénégal et dans le monde euh, kenn du un homme aussi puissant que Ousmane Sonko parce que dafa am dans deux semaines ñu ci euh, premier ministre qui xamni désigné président de la république ñu après le 17 dañu un premier ministre qui a été locomotive ou majorité bu bees de assemblée nationale en tant que président du parti parce que je m'ai mm-hmm. na je désigner la deuxième institution où le président le deuxième homme fort plutôt le président de l'assemblée nationale Je mm-hmm. installer. installé former le groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée nationale. y aurait l'initiative des lois à l'Assemblée nationale un groupe parlementaire désigné président l'Assemblée nationale Adina bi amul lu mel non. nit Il y y président de la République le mot n'est pas de trop président de la République Il y a un fal président Assemblée nationale il a formé ce groupe parlementaire nommé ce président du groupe parlementaire Bon, puis le gouvernement en tant que premier ministre et administration bi c'est un homme qui a le pouvoir de le ne musul am Sénégal j'anticipe loolu un dafa am veux que le président Ousmane Sonko Wajal boppam dès maintenant cabinet et entourage c'est les meilleurs au Sénégal d'où qu'ils viennent il doit travailler avec les meilleurs au Sénégal parce qu'en ses mains sont concentrés tous les pouvoirs mhm. tous les pouvoirs loolu musul monde Sénégal Moussoulam. aussi bien en matière de communication mhm. en matière de stratégie en matière de prise de décision mhm. tous les éléments d'être à la prise de décision Il faut adopter à un bon renseignement la gestion du renseignement mhm. waratuñ ko caaxaane ci dëkk bi parce que dafa carent dafa défaillant dafa un problème sax dafa défaillant dafa carent moo tax nag may alerter c'est pas pour rien Mais tudd le renseignement on doit pas s'amuser avec le renseignement au Sénégal on s'amuse avec ça maintenant mm. donc il dafa être a étoffer cabinet de sorte à être entouré par les meilleurs et des gens qui aiment le Sénégal, qui mettent le Sénégal devant, qui ne sont pas des carriéristes, mm. qui ne sont pas des opportunistes. Et dans cet objectif-là, on peut faire confiance aux généraux, retraités ou en activité. Mm. Le militaire, par essence, c'est le patriote, c'est quelqu'un qui croit à la, nation, c'est le nationaliste, c'est le patriote, du militaire. Nous nous des ressources humaines de qualité damay Sakou, qui président Ousmane Sonko mu bañ a woyofal boppam xam ni yàllaa ko dikkal jox ko nguur goo xam ne président de la république bi falu amu ko moom lay neex léegi waa jàll assemblée nationale wala mu bañ a jàll mooy séddale pouvoir ak doole ba ci maire de Dakar li ñu ci wax moom moo ko fal fal la maire de Dakar fal la président fal la président la l'assemblée nationale fal la président du groupe parlementaire kooku dafa le meilleur entourage il doit être entouré par les meilleurs sénégalais en cabinet compétent parce que dama gis ñu koy indil en audience à nit ñoo parfois ils sont pas recommandables le manque de check-up ak de de de de de de de de précaution moo tax nous ku jóg rek. ñu introduire ko te defuñu li ñuy wax due diligence. mais mais loolu rek day day sax.

Hmm. mais je suis investi d'aucun pouvoir. <laughs> Ah, moi je ah, suis investi d'aucun pouvoir. <laughs> non il est parti il y en a d'autres. c'est pas pas le seul. ces femmes ne sont pas concernées. elles ont la liberté de voyager. ah en tout cas bëri na lu gën kaso de France moo moo gën rëbës moo dàq rëbës de ah. Canada moo gën rëbës. Canada moo dàq rëbës moo dàq rëbës ah Maroc sax moo dàq rëbës. rëbës fépp ko dàq. ki la doon nag yow la léegi gars yi ñëw euh, porte la plainte fekkee porte plainte nañ nañu ñëw ay Canada nga yëmal ak rëbës moom laa moom. Mm, rëbës moom fépp ko dàq. On fait <laughs> pour on fait pour que, Moustapha, allez-y, on termine. Ouais, merci Ndiab. Euh, pareil non, c'est renseignement. Merci, merci beaucoup Moustapha, ça a été un plaisir euh, vraiment euh, partager avec yow Jota, bi comme ni koy défé toi mon, tu mon compagnon de guerre. euh, émission bi euh, samedi soir, émission samedi soir Mais, Disney, nous, nu internautes même ça. Euh, les sénégalais de tout bord di nuyu bu baax Aw beaucoup nous Aw aussi si fidèle internaute Ah oui, notre sœur. Eh, oui oui oui. Dès commenter ça may commande tout le temps mun may bind nii. kon nañ defaraat toogaay yi. Ah, bi yow ñu defaraat te di mëtal jotaay bi. parce que suñu suñu ay kii kii ñooñu seetaan. def mm-hmm. fierté mm-hmm. boo ko tuddee ci presse bi kenn du ne àccam te loolu c'est très important. big up ma sœur. Ah, mm-hmm. métier bi am ci ah. vingt ans tam kenn musul dégg ne aw jóg moom ma def moom ma wax. kenn du dégg cam. te loolu c'est très important si métier nga nekk ci def ci benn temps bi nii. te bu tuddee sa tur kenn ne ah bàyyi mu jàll. une grande dame. Mhm. une femme magnifique. Mhm. nu mu rafetee noonu la baaxee. macha allah macha allah. <laughs> Mhm. Euh, Diome Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax euh, di lay jox sa wàccuwaay des fois ma toog mi stade mu ne ma jàpp redress toi toogal bu baax. <laughs>

Euh, commentateur. Mm. Euh, Merci pour l'information. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. On remercie euh, vraiment les habitués des lieux, Nyom Tala, Nyom Biboulay, Nyingahamne, à chaque fois, de suivre Nyingahamne, Monek T3B, Télébou, Barbie. On remercie Nyom Baïgay, même Nyom Sami, Nyingahamne, Dunyo Aïsou Marelle, Dunyo